ce thème invite la jeunesse à une prise de conscience. Une prise de conscience au niveau de l'avenir, une prise de conscience au niveau de sa tâche et une prise de conscience, n'est-ce pas, donc, au niveau de son engagement. Le second élément, c'est que justement, c'est un thème aussi qui est d'actualité dans la mesure où justement, ça amène la jeunesse, n'est-ce pas, donc, à regarder dans le rétroviseur en vue de tirer des leçons et aller de l'avant. Donc, il invite la jeunesse à agir dans le sens du progrès. Et l'avantage le plus important, c'est que justement, la jeunesse généralement n'a pas une certaine prise de conscience. Il faut qu'on l'aide à prendre conscience. Il faut qu'on l'oriente il faut qu'on guide ses pas. Et surtout, l'éducation, justement, aujourd'hui, c'est le vecteur de tout développement. Il n'y a pas un pays qui peut se développer sans développer le secteur de l'éducation. Il n'y a pas un pays qui peut même, n'est-ce pas, donc, vouloir prendre en charge son peuple ou assurer le destin politique de sa population sans développer le secteur de l'éducation. Voilà pourquoi la notion d'éducation, qui est l'un des termes centraux de, de la conférence, invite la jeunesse surtout à savoir d'où elle vient et vers où elle va. Aujourd'hui, euh, le reproche qu'on fait à la jeunesse actuelle, n'est-ce pas, donc c'est la chute du niveau, ou je dirais même l'absence du niveau. Or, si la jeunesse n'a pas le niveau, nous qui sommes enseignants, nous qui sommes encadreurs de cette jeunesse, nous devons aussi nous remettre en cause. Nous avons toujours décrié, et moi personnellement, j'ai fait partie de ceux qui ont décrié, de ceux qui ont dénoncé la chute de niveau, la baisse de niveau, n'est-ce pas donc, de la jeunesse actuelle. Mais d'où vient cette chute de niveau Ce n'est pas seulement les programmes, mais il y a aussi le personnel enseignant. Voilà pourquoi si les élèves n'ont pas le niveau, l'enseignant doit aussi se poser des questions. Est-ce que c'est à l'élève ou à l'étudiant la faute, n'est-ce pas donc, de cette baisse de niveau Si bien que je dirais que justement c'est une faute collégiale. Quand l'État recrute les enseignants, il faudrait savoir quels enseignants ils recrutent. Est-ce que des enseignants qui ont une qualification Est-ce ce sont des enseignants, n'est-ce pas, donc, qui maîtrisent, n'est-ce pas, donc, le domaine du savoir dont ils sont chargés, n'est-ce pas, donc, de transmettre à ces élèves. c'est pourquoi nous disons que c'est vrai, les élèves n'ont pas le niveau, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de disserter là-dessus, c'est une réalité. Mais comment faire Il ne s'agit pas de croiser les bras pour dire le niveau est bas ou de crier, n'est-ce pas, donc, sur les toits pour dire que les élèves ou les étudiants n'ont pas le niveau, mais il faut se poser la question de savoir comment améliorer le niveau, comment aider les élèves et les étudiants à améliorer le niveau, comment aider l'État à rehausser le niveau des élèves et des étudiants.